Aja Série innove avec Wanyu Aja. Devinez tous les jours le plat cuisiné par Suyo Aja National et tenez-vous prêt pour le super lot de Tabaski. Harley Don, qui sait Rendez-vous sur la page Facebook Groupe Patizen. Vous pouvez participer jusqu'à la fin de l'épisode. vraiment Ngor léegi da nga bizarre damay wax ak yow faale di ma vent quoi au calme ah Ngor damay wax ak yow doo ma tontu ah toog au loolu booy xiifu ma. Eh, taxawal man kii man lay feneen. Eh. dootoo feneen. lan moo ko def tu te calmes laa la wax. moo ko def. Pathé tu te calmes. lan la.